Sous le patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, de Madame Mariam Sall, première dame du Sénégal, sous le parrainage de Monsieur Aliou ministre de la Culture et du Patrimoine historique, conseil départemental bu qui dit président bu un visionnaire hors pair un travailleur exemplaire du Monsieur Omar Sy Nous ànd ak askanu Koumpentoum gi yépp di l'un des plus grands événements culturels du Sénégal oui festival Bidi festival Pentium vendredi 23 samedi 24 et dimanche 25 décembre 2022 bu Bimou, huitième édition thème de cette édition culture et sport De l'évier du développement durable de nos territoires un événement placé sous le parrainage d'honneur de M. Mamadou Tala, ministre des collectivités territoriales de l'aménagement et du développement des territoires maître Sidi Kikaba ministre des forces armées M. Momo Kassé directeur général de la SICAP SA président conseil départemental Boutamba Kunda monsieur Abdoulaye Ndou, directeur général ADL maire de Kouchaba Wolof honorable député maire de Bamba El Ibrahim honorable député Tening Diaw, M. Sidi Traoré au Conseil des collectivités territoriales, maire de Kumpentum, M. Talasso au Conseil des collectivités territoriales, maire de Payar, Monsieur Abdoulaye conseil économique, social et environnemental, Monsieur Ibn ministre conseil à la présidence de la République, Monsieur El ministre conseil à la présidence de la République, maire de Mereto, Monsieur Abuba Diallo, maire d'Andam, M. Mamadi maire de Kahen, M. Silmangsal maire de Malemniani, Monsieur Lamoka, maire de la commune de Kouchagaïde Monsieur M. Modundao, maire de la commune de Pascoto événement bu Magamak rendez-vous culturel bu am solo ak programme culturel bu doy du 23 au 25 décembre Niani va vibrer avec la 8 8e édition festival Pencum Niani au programme journée départementale de l'élevage avec une consultation gratuite du cheptel Madame jur lañ leen di xolal saytu leen sen walu don de médicaments sensibilisation sur la couverture maladie universelle un cross de 10 km and ci ak champion du Sénégal Bidi di Adama Bariba un plateau artistique avec les cultures urbaines et traditionnelles dina fam gala de traditionnelle bu Magamak duppee ko drapeau et Hadji visite des sites historiques et culturels fu centre du Sénégal à Payar wala les mégalithes de Kétienne Babok le puits de Goundiour Bataïti programme une cérémonie officielle avec le concours de la meilleure prestation et du meilleur masque Kumpentum, capitale culturelle du Sénégal les 23 24 et 25 décembre 2022